ñu koy yàgg di defee tey jii ñu ngi ci sunu fukkeelu édition ak juróom-ñeent ndax xam ngeen ne weeru ko waxtaan la euh, sottinte xalaat def lu baax fii ci parti socialiste ñuy dajaloo ñu jigéenu parti socialiste donc bëgg socialiste gën a jàppante ren yi ñu ngi tànn euh, jullit naka lay comporté woo ci biir société am ndax xam nga ne àdduna si tey si dafa jaxasoo ñun Sénégal bari nañu ay problème waxtaan ak xale yi ndax jàmm am ndax jàmm mooy indi lépp xale yi en général ñi koy def fukki at ak juróom ba fukki at ak juróom-ñett donc ñooñu dañuy yomb a manipuler moo tax waxtaan yi baax donc ku nekk da nga war a encadrer say xale ñu xam naka la ñu fan nañu war a teg seen tànk parce que xale yi ñooy suñu avenir suba ñun dañu am sax ay exemple temps bi Ablaye Wade di xëccoog Senghor doo saaga da kii naan monsieur Moulin madame Moulin jaaru fi monsieur Fora jaaru fi kii naan bopp amul karaw mënul attan réew yooyu moo fi daan am mais tey ji dañu gis ne xale yi yemuñ ci saaga rek ndax réseaux sociaux yi la ñuy nëbbatu di saaga waaye ak yàq bi nekk ci mbedd mi te politique bu njëkk ba ci quartier généraux yi la daan nekk ku nekk nekk sa quartier général di wax lu la neex xale yi di opposé c'est normal opposition am pouvoir am politicien mu ne responsable ne war nga xoolaat sa bopp xam lolu du indi lu bax ci réew mi te du tax xalé buñu maggé dañu fa non lañu wara war té xalé war nañ jël exemple yu baaxa baax te si ñun lañu ñu exemple. Nous avons l'habitude d'organiser chaque mois de Ramadan une conférence religieuse. nous sommes à notre 19e édition. C'est un moment de prière, de communion, de solidarité entre euh, tous les musulmans. Et nous, nous le faisons entre socialistes. C'est des moments où nous partageons beaucoup de choses en matière de solidarité, en matière de fraternité, d'amour. Aujourd'hui, euh, nous sommes dans un monde où vraiment beaucoup de choses se passent. Pratiquement au Sénégal, où nous avons la violence qui sévit en ce moment. Donc nous avons choisi comme thème l'amour entre les musulmans, comment le bon musulman doit se comporter dans la société les jeunes sont vulnérables, ils sont manipulables. Donc il faudrait que ces jeunes soient encadrés. C'est un manque d'encadrement, une démission des parents, des politiciens véreux qui les utilisent à des fins qui n'honorent pas le Sénégal. Et je crois que ces genres de conférences, quand même, les rappellent à l'ordre et pourraient leur demander d'être plus sérieux et d'être regardants sur leur comportement qui influe beaucoup sur euh, l'avenir de notre pays. À l'approche des élections, chaque quartier général comme il veut. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est nouveau, c'est que maintenant la politique, ce n'est pas dans les quartiers généraux, mais dans la rue. Alors que la politique, c'est un débat d'idées. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un débat de violence dans la, dans la rue. Il faut retourner à l'orthodoxie et vraiment que la politique se fasse dans les quartiers généraux parce qu'il faut que ceux qui s'opposent s'opposent pour que ceux qui sont au pouvoir puissent améliorer leur manière de, de gouverner. C'est le lieu en tout cas, à partir de cette conférence, de demander aux jeunes de revenir à la réalité, parce que le Sénégal leur appartient. Donc je crois qu'il faut que les jeunes soient plus regardants sur ce qu'ils font, parce que le bien du Sénégal, c'est le bien de tous les Sénégalais.